Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Et bonsoir. Je me présente euh, Rachida, fondatrice FAYE en Nour Aïcha. Rachida's Glamour make Donc, euh, je viens du Niger, précisément à Niamey. Je suis venue ici chez Toubless Make-up pour apprendre comment faire les make-up. Parce que là-bas à Niamey, j'ai eu des formations, mais pour euh, spécialiser ça, je suis obligée de venir ici. Donc, euh, il y avait quelqu'un qui m'avait guidé chez Toubless Makeup pour, euh, pour venir apprendre les make-up ici. Et que je suis vraiment fière, je suis vraiment contente de leur formation. Parce que je n'avais jamais su si c'était comme ça. quand j'étais à Niamey, nous sommes à Niamey, Fada Ada. mon entreprise s'appelle Foyer Anour Et le nom de notre make-up s'appelle Rachida Glamour. Donc, euh, je suis venue ici pour y spécialiser. Et à la fin, ils vont me donner une attestation qui certifie que, et qui certifie NAI spécialisé. Donc, euh, notre numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, nous rejoindre, c'est 4 plus 227 96 27 88 33. il y a un deuxième numéro encore 80 75 16 60. Donc euh, je pense que maintenant je suis vraiment contente. Na suis très saboda na iya ni ma in na Je sais que c'est My Makeup qui m'a formé, qui m'a spécialisé, et je suis fière et contente de Tubeless Makeup. Nago de Tubeless Makeup, c'est toi qui m'as fait découvrir c'est quoi le make-up Je n'ai jamais su comment faire les techniques qu'on fait de make-up si c'est pas tout bless make-up. School. Nagode.